le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du studio le forum du le forum du le forum du studio Auditeurs et auditrices des programmes d'Istudio Studio Kalangu, merci de votre fidélité. C'est l'heure de votre émission quotidienne, le Forum d'Istudio Studio Kalangu, l'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. La thématique d'aujourd'hui est les archives nationales du Niger, conditions de conservation et d'utilisation. Qu'est-ce que c'est que les archives nationales Quelle est l'utilité des archives nationales pour les personnes physiques et morales Quelles sont les conditions de conservation et les modalités d'accès aux archives nationales Qui fréquente ces archives et pour quelles quel objectif Telles sont entre autres questions auxquelles le forum d'aujourd'hui apportera des réponses. À cet effet, nous avons invité M. Marafa Hangashi Moussa, chef division technique aux Archives nationales et directeur par intérim. Et nous avons Oudou Al-Hassan, chef division scientifique des Archives nationales également avec nous. Et Abdou Doubou, doctorant en histoire et utilisateur en tout cas régulier des Archives nationales. Et à la présentation, Alassane Kouzi Mahmoud. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons des archives nationales du Niger, conditions de conservation et d'utilisation. Le fonctionnement de l'administration publique génère une panoplie de documents dont l'importance ne permet pas qu'ils soient détruits, d'où l'intérêt des archives nationales au Niger, tout comme le journal officiel. Le service des archives nationales est placé sous la responsabilité du secrétariat général du gouvernement. C'est donc autour euh, des archives nationales que tourneront nos échanges d'entrée de jeu. Je vous pose cette question. Les archives nationales, qu'est-ce que c'est et quelle est la mission de la direction chargée des archives nationales Avant de commencer, j'aimerais vous faire un peu l'historique des archives. Ça a commencé avant, avant, avant les colons, avant l'indépendance, n'est-ce pas, suite à l'interpellation de M. Louis Poitier à l'Assemblée nationale française en 1907 sur le sort des archives. Ce monsieur a interpellé l'Assemblée nationale française, c'était en 1907, sur le sort pas, des archives au niveau du, la colonie. Hum. Parce que les archives étaient ne sont pas bien conservés. Et 2 décembre 1907, n'est-ce pas, le ministre de la colonie de l'AEF adressa, n'est-ce pas, une circulaire au sujet des archives pour interpeller, n'est-ce pas, le gouverneur de colonie pour prendre des dispositions par rapport à ces archives-là. C'est ainsi, pour la petite histoire des archives, n'est-ce pas, avant l'indépendance, mm. si nous revenons, nest pas, au cas du national, les archives nationales du Niger ont été créés n'est-ce pas, par l'arrêté général numéro 5105 bar IFAN du 9 juillet, nest 1953, portant un règlement général les archives d'Anayof, qui implémentent un service central des archives à Dakar et un service régional des archives dans chaque chef-lieu de colonie. Ce qui fait qu'actuellement, au niveau de Dakar, nous avons nos archives. Auparavant, c'était, eh, il y avait un dépôt dans chaque colonie, mais le, dépôt central se trouve au niveau de Dakar. Mm. Les archives nationales, qu'est-ce que c'est C'est la mémoire de l'État. C'est la mémoire écrite de Les archives nationales, n'est-ce pas C'est un lieu de sauvegarde n'est-ce pas, de la mémoire de l'État. Nous sauvegardons les documents d'intérêt administratif, juridique et historique. Quelle est la mission fondamentale aujourd'hui de la, de, la direction chargée des archives nationales Oui, la mission fondamentale des archives nationales, si on se réfère, n'est-ce pas, euh, à l'arrêté numéro 260 PM SGG du 7 octobre 2011, euh, qui stipule que les archives nationales sont chargées, un, l'identification de la collecte, du classement et de la conservation de documents de toute nature, n'est-ce pas, des différentes actions de l'État, ainsi que ceux de tous les établissements publics. De la communication, n'est-ce pas, de documents conformément à la législation archivistique en vigueur, de la gestion d'un centre de documentation ouvert au public, de la gestion de la régie du dépôt légal, n'est-ce pas, dépôt légal sous-entend ça que c'est une obligation qui est faite n'est-ce pas, par l'autorité, n'est-ce pas, compétente à tous les producteurs d'œuvres littéraires ou esthétiques, n'est-ce pas, de remettre un certain nombre d'exemplaires, n'est-ce pas, de leur production à un service habilité hmm. à les recevoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le démembrement de la direction des archives nationales au plan central et au plan régional effectivement, Au terme du, SPA de l'arrêté numéro 260 PMSHG du 7 octobre 2011, nest pas, déterminant les attributions des directeurs généraux et des directeurs et portant organisation des directions de CG, les chiffres sont structurés, nest pas, à 11 divisions et des services au niveau des départements. Nous avons la division scientifique des archives, la division, technique, la division culturelle des archives et la division au niveau des régions. Dans chaque région, nous avons une, une direction. nous allons donner la parole à Oudou Alassane, chef de division scientifique. Alors, dites-nous votre division, euh, la division scientifique des archives nationales, quelle est sa mission, quel est son rôle Donc, c'est une division qui est chargée donc, d'établir donc des, répertoires. C'est une division aussi qui est chargée de la documentation administrative aussi. En plus de cela, donc c'est une division qui est chargée de la réception donc des versements. C'est quoi un versement Oui, c'est quoi un, versement, oui. C'est donc c'est une procédure administrative donc qui permet de transférer un fonds donc d'un service appelé service versant vers un autre habilité à, à le recevoir. Ici, en principe, au Niger, c'est les archives nationales qui est la principale structure donc ah. habilité à recevoir les, les versements. Euh, euh, d'abord, quels sont les types de documents euh, qu'on retrouve au niveau des archives nationales oh. Quels sont les documents conservés et les formats dans lesquels ces documents sont conservés Vous continuez, M. Oudou Alassane Merci beaucoup, M. Alassane. Oui, et les archives nationales conservent plusieurs fonds. Il y a ce qu'on appelle le fonds de, de la période coloniale, ce qu'on appelle les archives historiques. Donc, euh, qui va, des archives de la période coloniale, oui. De, 1897 mhm. jusqu'à 1900, avant le 3 août. Ce qu'on appelle les archives historiques. Mhm. Ce fonds-là est classé selon le cadre de classement de l'AOF. Donc, c'est un fonds, donc un fonds clos. Aujourd'hui, si on amène une pièce on ne, fait que l'intégrer. Est-ce que vous voyez hmm. Donc le, cadre de classement est là. Il y a A, B, C jusqu'à Z. Mais il n'y a pas la série W. Pourquoi Parce que la série W est, donc, consacrée à la série donc, des versements poirés. À partir de quelle année Ça veut dire que ce sont les archives du Niger indépendant. Ouais. Du 3 août à nos jours. Du 3 août 1960, vous ah, voulez dire Oui, effectivement, à nos jours. Hmm. Vous voyez hmm. À part ça, hmm. il y a ce qu'on appelle, donc il a donc, des JO. Le journal officiel. Le journal officiel, du Niger même d'abord, hmm. aussi donc de la France aussi, aussi de l'AOF. Hmm. Est-ce que vous voyez Il y a aussi ce qu'on appelle aussi le fonds des périodiques aussi. Les périodiques, euh, dans le temps, ils étaient nombreux. Mais aujourd'hui, ils ne sont que peut-être une trentaine donc, euh, euh, à être inventoriés. Au tout début, ils étaient environ 1035. Mm. Est-ce que vous voyez mm. La plupart d'entre eux ne, paraissent plus. plus. Est-ce que vous voyez mm. à part, ça, à part le fonds de périodique, vous avez donc euh, les archives contemporaines dont, je vous parle là. Ouais. Donc maintenant, du, Niger indépendant. Ils, émanent donc, euh, donc du fonctionnement, donc de, donc de, de l'inspiration en général. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de fonds je, pense que nous sommes jusqu'à la, au, 50 versement, je pense. Apparemment, maintenant, le fond, donc euh, le, dépôt central est saturé. le, dépôt de, Niamey. le dépôt de Niamey. Central. On, ne peut, même plus recevoir de versement euh, aujourd'hui. Et le versement vont où alors Oui. maintenant, le fond est saturé. Est-ce que vous voyez Bien. Hmm. Alors, euh, qui peut avoir accès À part ça, il y a ce qu'on appelle les monographies ce qu'on appelle la bibliothèque des archives même. Il y a la bibliothèque euh, de l'Assemblée nationale, il y a la bibliothèque euh, du, du professeur Sidikou, vous avez la bibliothèque euh, de l'autre, de, hum, hum. Et qui d'autre Donc il y a, donc, le, la bibliothèque Boubahama, vous avez donc ça qu'on appelle, parce que c'est deux, deux cotations différentes, hum. ce qu'on appelle BBH, IBCF. Quand on dit BBH, là, ça veut dire Bibliothèque Boubouhamma. À part ça, nous avons d'autres fonds, même des, donc des, bandes sonores. Donc, il y a un versement qui a été effectué par l'EURTEN en 2005. Donc, les bandes sont là. Peut-être vous, vous avez vu le, jeu de votre passage, à ma connaissance. Oui. Hmm. Donc, des archives, en tout cas audio de l'EURTEN, l'Office de radio et télévision du Niger. Évidemment, c'est même ça. Hmm. Hmm. Et qui peut avoir accès aux archives nationales et selon quelles modalités Aux archives nationales, hmm. l'entrée est libre. Ah, pour tout le monde Pour tout le monde. Hmm. Maintenant, sauf si, la personne a peut-être un cartable, il y a donc il y a un, endroit réservé donc au dépôt des, cartables. Hmm. ce que vous voyez donc, euh, quand vous rentrez, donc, tout juste, donc vous accédez, donc, au service accueil et communication. C'est là-bas où vous, allez vous adresser. Maintenant, c'est lui qui va vous, vous orienter. Maintenant, les types de documents sur lesquels s'effectue donc la recherche, vous avez les archives historiques, vous avez les archives contemporaines, vous avez les monographies, vous avez aussi les périodes, les périodiques. Voilà. Voilà, c'est quatre types de documents. Donc, c'est à vous de vous, de vous adresser donc, au chef service accueil et communication. C'est lui qui va vous diriger. Hmm. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas échapper à ces quatre types de documents-là. Hmm. Les périodiques, euh, euh, les périodiques, les archives coloniales, les archives contemporaines et donc les monographies. Et selon quelle modalité On paye de l'argent ou c'est gratuit On ne paie pas. Vous venez, donc, euh, vous demandez ce que vous voulez. Il dit, c'est lui qui va vous orienter. Hmm. Si ça vaut la peine d'aller au niveau de la zone technique, donc au niveau de la base de données, pour, euh, pour identifier, le, le document. Donc ça vaut la peine. Parfois, ça ne vaut même, pas la peine si, si, c'est les archives. Hmm. Directement, c'est lui qui va se lever pour aller vous donc, chercher le document. vous, cherchez le, document sur les hmm. Et euh, les documents sont consultés sur place ou euh, il est permis de partir avec à la maison Très bien ça. Aux archives nationales, c'est la vous êtes sur place. On ne permet pas aux gens de partir avec les documents. Mm. Donc il y a deux services. Vous avez le service et la sur place et la photocopie. Mm. Est-ce que vous voyez mm. Parce qu'on ne, permet pas aux gens de partir avec les documents. Euh, je reviens à vous, monsieur euh, Marafa Hangashi Moussa, chef division technique. Mm-hmm. Euh, quelle est l'importance ou l'utilité des archives nationales pour les personnes physiques, mais aussi pour les personnes morales euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, les hommes passent avec leurs souvenirs, les archives restent pour témoigner. Je l'ai dit, les archives, n'est-ce pas C'est la mémoire écrite de l'administration, hum. c'est la mémoire de l'État. Hum. L'esprit de l'État est là. Hum. nous, nous conservons, n'est-ce pas, tout ce que l'État a eu à faire comme trace, activité qui sont ceux qui viennent chercher, ceux qui viennent en tout cas fréquenter euh, les archives nationales C'est l'élite. Le, profil. C'est l'élite. Parfois, il y a des, qui ont des problèmes familiaux. Il n'y a pas d'étudiants qui viennent, des, simples étudiants. les étudiants ne sont pas des élites. C'est L'étudiant, les étudiants, <laughs> c'est ça l'élite. Les étudiants, n'est-ce pas, les fonctionnaires pour leur acte, n'est-ce pas Il y a encore des, gens qui viennent un problème familial qui viennent pour le dossier de leurs parents, un conflit, par, exemple, vient viennent chercher des documents de leurs parents. Elles viennent chercher des traces. Des traces de leurs parents, effectivement. Je me retourne vers euh, notre troisième invité, Abdou Doubou, euh, qui est doctorant en histoire et qui est utilisateur régulier des archives nationales. Euh, monsieur Abdou Doubou, pouvez-vous nous dire depuis quand vous fréquentez les archives nationales eh, Merci, monsieur Alassane. J'ai commencé à fréquenter les archives nationales, ça fait une dizaine d'années. Ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé à fréquenter les archives nationales. Donc, je, disais que j'ai commencé à fréquenter les archives nationales depuis une dizaine d'années, depuis 2006 hum. précisément. Hum. Oui. Et depuis que j'ai commencé à préparer, en tout cas, des, travaux de recherche au niveau de l'université de Niamey, notamment ma maîtrise, hum. donc j'ai commencé à fréquenter euh, ce ces centres de documentation puisque je travaille en tout cas sur la période coloniale depuis ma ma, ma maîtrise, d'ailleurs même depuis le mini-mémoire qui s'est fait en licence. Donc j'ai commencé à, travailler sur ça, euh, à ma maîtrise, à mon DEA et à mon doctorat aujourd'hui que j'entame la septième année là-dessus. Donc sur, euh, sur la portant sur la période coloniale, c'est ça Oui. Et donc, euh, les archives nationales, c'était la référence pour vous d'avoir les informations que vous, nécessaires. Oui, en tout cas, pour tous ceux qui travaillent sur la période coloniale, le centre documentaire des archives nationales constitue en tout cas un centre là où on trouve abondamment eh, des informations, des renseignements sur tout ce qui se passe. moi, je travaille sur les, chefferies nigériennes pendant la période coloniale, ou bien les, les ou les Sarautou, ou le système politique trouvé par le colonisateur sur place. Donc vous voyez un peu, et surtout la thématique aussi, comment l'administration euh, coloniale est-elle passée pour euh, recomposer les territoires trouvés au Niger mm-hmm. et comment il l'a réorganisé sur le plan politique. Mm. Donc tous ces écrits des différents administrateurs coloniaux, en tout cas, m'intéressent beaucoup. Mm. Euh, les différentes décisions, les arrêtés, les, c'est pas, tout acte, en tout cas, qui a été pris dans ce sens-là, qu'il soit local, euh, régional ou au niveau de l'AOF, en tout cas, m'intéresse beaucoup. Donc, c'est l'un des centres mm. là où je me retrouve vraiment. Quel autre euh, genre de documents vous, vous cherchez euh, au niveau des archives nationales Bon, en plus de, la documentation historique dont le, le divisionnaire venait de, parler, les mm. archives coloniales proprement dites, mm. il y a aussi des actes administratifs puisqu'il y a des actes administratifs du Niger post-colonial. Nous avons également les différentes euh, documentations qu'elle a parlé, notamment la, documentation de Bobo Hama également. Il y a beaucoup d'autres euh, également productions qui sont là, qui m'intéressent en plus de ça. Hmm. Et, mais seulement je m'intéresse beaucoup plus aux archives nationales puisque ce sont des informations de première main, comme on dit. Hmm. Les autres productions déjà faites par euh, certains euh, auteurs, certains écrivains, ils ont utilisé ces archives-là. Mais quand moi, je vais moi-même au niveau des archives, c'est en ce moment-là que je peux porter un peu, euh, oui, un plus à la science. Hum. Oui. Sinon, les autres ont été déjà traités à leur manière. Donc, il faut que j'aille aussi, également moi aussi, à la source pour puiser. Donc, j'utilise beaucoup plus les archives coloniales. Alors, comment vous pouvez, comment vous caricaturez l'importance des archives nationales les archives nationales sont extrêmement importantes puisqu'elles permettent de reconstituer l'histoire d'un pays. L'histoire coloniale, par exemple, sur laquelle je, travaille, et comment, par exemple, le système politique a été intégré dans la nouvelle administration coloniale, comment euh, la territorialisation a été faite. Je parle surtout des cantons, mm. comment le territoire a été divisé en cantons, en provinces, en sultanats. Tout ça là, il y a leurs actes. Comment également il y a eu la réorganisation politique, puisqu'ils avaient trouvé en place euh, une organisation qui, était là, mais comment ils l'ont réorganisé à leur façon, à la façon euh, euh, française. Quoi. Donc la reconstitution de l'histoire. Voilà, de l'histoire du passé, en tout cas pour le faire, surtout pour la période coloniale, il faut aller aux archives nationales. Bien. Euh, je reviens à vous, monsieur euh, Marafa Hangashi Moussa, chef division technique aux archives nationales. Euh, je me rappelle que lors d'une rencontre en préparation à cette émission avec vous, vous m'avez raconté une petite anecdote par rapport à l'importance des archives nationales, notamment un conflit que le Niger a pu remporter grâce aux archives nationales. Vous pouvez revenir sur ça rapidement C'est l'histoire de l'île de l'été. Je ne sais pas que le Niger avait une bonne documentation. L'affaire, vous pouvez. De, l'île de l'été. L'île de l'été. Avec le Bénin. Je ne sais pas que le Niger avait une bonne documentation, une bonne archive. Il n'allait pas gagner ce procès. Ça veut dire qu'on était retourné euh, Au document. consulter, on, était retourné voir les documents et on a eu des preuves que la partie appartenait au, Niger. oui. Hein. Et ce qu'est le Bénin, depuis lors, le Bénin ont accordé, ça accordé à leur archive au niveau Bénin. Je dis la sur le on ne peut pas avoir un endroit où on peut avoir des chiffres comme au Niger. Partout, nous avons des, pays, les pays riverains qui, qui nous visitent. Récemment, le, Burkina a, a, visité, mais ils ont été surpris d'avoir ce qu'on a comme fond au niveau nationale. On a une très bonne documentation, surtout pré-coloniale. Donc vraiment, les moi, c'est une unité, comme l'a dit M. Debout, d'une importance capitale pour l'État. Sans les archives, l'État a rien. Aux, archives nationales, euh, plusieurs catégories de personnes viennent consulter des documents pour divers usages. Lundi 26 août passé, nous avons rencontré un autre lecteur à la personne de Umaru Kaza Gao, mhm. euh, ingénieur agronome. Il nous a confié la raison de sa présence. Mhm. Euh, je propose de l'écouter les archives nationales, c'est une institution très importante dans la vie d'une nation. Nous sommes venus ici pour euh, parcourir un peu l'histoire, pour voir euh, le Moringa, quand est-ce qu'il a été importé, qu'est-ce qu'on a fait de ça sur le plan euh, étatique, sur le plan de la recherche agronomique, etc. Est-ce que là, au niveau des archives nationales, vous avez pu trouver des documents justement qui parlent du Moringa, qui, qui retracent un peu le parcours de cette plante oui, on a eu des, textes euh, qui, marquent un peu le moringa dans la vie étatique. Quoi. Les institutions étatiques ont parlé du moringa depuis l'ère coloniale sur la question de euh, désertification, comment il faut lutter contre la désertification, le reboisement, par exemple, l'agroforesterie, etc., etc. Et vraiment, ça nous a permis d'avoir des repères assez importants qui nous permettent, qui nous convainquent que le moringa, c'est pas une plante d'aujourd'hui. Elle remonte, c'est vrai, depuis l'ère de comment, le pèlerinage à pied, et c'est de là que le nom de El Maka, justement, est apparu. Et quelle est votre appréciation de la qualité des documents liés aux archives Il faut dire que les documents sont vieillissants, il y a une question de conservation qui se pose. Bon, ça c'est, <laughs> je sais pas, c'est certainement lié à la vétusté de beaucoup d'institutions qui traitent de ce genre de documents précoloniaux. Alors, vous venez de suivre Omaru euh, Kazagao, je le disais, ingénieur agronome et lecteur que nous avons rencontré euh, le 26 août passé aux Archives nationales. Euh, je vous demande peut-être des commentaires par rapport à ce que vous venez d'écouter. Monsieur Marafa. Je parlais de, la conservation, effectivement. Malheureusement, les documents sont malheureusement, très mal conservés. Les fait de son mieux. Mais vraiment, c'est un problème. Conserver, maintenir là, ce un microclimat pour conserver les documents, ça demande beaucoup de moyens. Mais vraiment, quand même, les fait de son Actuellement, maintenant, sur les, les 11 armoires que nous avons pour le magasin, vraiment, un seul Justement, justement euh, cela nous amène à, nous intéresser à cette question, notamment les difficultés aujourd'hui de, conservation euh, des, euh, des, dossiers. Est-ce que vous pouvez nous caricaturer en quelques, en quelques points les principales difficultés de la conservation des archives nationales. Oui, c'est surtout l'entretien, le, maintien de ce microclimat au niveau de la archives. Parce que le microclimat il, faut, il faut maintenir un, cadre, un, climat confortable pour les papiers, pour le conserver. Mais malheureusement, on n'arrive pas à les maintenir parce que euh, nos, appareils qui maintiennent du froid sont tous en panne. J'ai été visiter une fois les archives nationales. il faisait très chaud. Est-ce que c'est le climat, c'est c'est la température euh, euh, qu'il faudrait que Qu'il faut, devoir, arranger les, les les armoires pour, pouvoir maintenir l'espace ce, climat. En, temps normal, euh, la salle devrait être très froide, Froide, oui, normalement, entre juste 20 degrés Celsius pour maintenir le masse papier. Hein. Oui. Euh, ça veut dire que est-ce qu'il n'y a, a, pas de climatiseur alors Il y en a, mais c'est l'entretien, ils sont en panne. C'est l'entretien qui le problème. Vous dites que sur combien de climatiseurs Sur les, 11, sur les 11, il y a sûrement qui, un seul qui, qui, qui, qui marche. Il y a un seul qui marche. Et malheureusement, c'est la réalité. Et quel impact cela peut avoir Malheureusement, sur ça, ça, ça, a un impact négatif sur les, sur les papilles. Quand les papiers sont, mal, sont, sont dans la chaleur, ils deviennent cassants. Leur de vie, n'est-ce pas, ça, entraîne beaucoup la, qualité du papier. Hmm. Et ça, ça crée encore, encore les conditions du, pas, de, l'existence de ces magistrures qui, qui nuisent, n'est-ce pas, à, ce papier. Hmm. Alors, est-ce que vous avez peut-être des difficultés, des, insuffisances en termes de moyens humains Moyens humains, on n'a pas un problème de moyens humains, mais c'est un problème de matériel, de moyens financiers hmm. pour l'entretien. C'est ça, c'est le budget. Il faut voir à Il faut le budget au niveau des archives pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, ce coquillement au niveau du, magasin. Hmm. Oudou Al-Hassan, euh, chef de division scientifique, un mot sur les difficultés euh, rencontrées dans, euh, les, en dans la conservation. Hmm, très bien. Encore. Vous voulez dire euh, les, difficultés, vous voulez dire ah, oui, euh, en tout cas les problèmes que vous rencontrez ou les problèmes qui sont ressentis. Comme euh, l'a dit le, directeur, vous avez d'abord le problème de restauration. Parce qu'il y a certains documents, quand ils sont déchirés, on doit les, restaurer. Comme l'a dit ce qui disait, hum. donc la, climatisation. Nous avons un manque de climatisation. Oui, ça, il l'a déjà dit. nous avons aussi un manque d'éclairage aussi d'éclairage Oui, oui. Il n'y a pas d'ampoule Il n'y a, a, pas assez d'ampoule. Il n'y a pas assez de lumière. Il y a pas, parfois, oui, oui, il n'y a, pas assez d'ampoule. Hmm. Et nous avons aussi le système donc, de sécurité incendie qui est en panne aussi. Hmm. vous voyez, oui. Depuis combien de temps En tout cas, ça a duré. 10 ans Ça a duré. Ça dépasse 10 ans En tout cas. Le système euh, oh, anti-incendie en tout cas, il n'y a, pas aussi le, donc, le système de surveillance camérale aussi ça aussi. Mm. Donc, les archives nationales, c'est un lieu, mm. donc euh, on se trouve à, donc c'est un endroit très sensible. Mm. Autre question que je voudrais aborder, c'est euh, euh, toujours quand j'ai visité les archives nationales, on constate aussi qu'il y a un grand nombre de documents entassés dans des sacs qui n'ont pas été traités. depuis en tout cas aussi plus de 10 ans, 15 ans, des documents qui n'ont pas été traités. Euh, qu'est-ce qui explique cela Qu'est-ce qui, explique euh, le non-traitement des, documents Il y a des documents qui n'ont pas été traités à, plus forte raison euh, qu'ils soient archivés et mis peut-être à disposition du public. au fur et à mesure, donc, il y a certains donc, étudiants hmm. donc, qui prennent leur thème de mémoire donc, les archives. Hmm. ça, c'est ce que, j'appelle les versements. Tout ce que vous voyez là dans les sacs là, ce sont des versements. Hmm. Oui, les versements, hmm. mais qui sont destinés à être traités, à oui, être effectivement, j'ai dit, il y a des étudiants de l'IFTIC hmm. euh, euh, qui, ont pris euh, l'initiative donc, de prendre leur thème sur les fonds, donc les fonds versés aux archives nationales. Bien. Je, je, donne la parole à, M. Marafa peut-être pour, pour, pour un complément de réponse par rapport à cette question de traitement des documents, euh, des archives qui viennent dans des sacs qui sont entassés. et peut-être qu'il y a des documents d'importance capitale qui sont là, qui, oui, c'était un, un, un, un, problème de personnel au tout début. Il n'y avait pas assez de personnel au tout début. Je ne sais pas, en 2013, on a commencé à recruter. Mhm. euh, auparavant, il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir traiter ces fonds-là, ces mhm. documents-là là. Mhm documents qui sont là, ils sont là. comme l'a dit M. Oudou, on est en train d'étudier les étudiants, en effet, au fur et à mesure qu'ils viennent, nous traitons ces, documents-là. On est en train de traiter. actuellement, euh, on est sur le fond de la solution. Effectivement. Actuellement, on est, sur le fond de. pour... pour, pour, leur, mémoire. Actuellement, ils sont, sur, le, fond de Tilabéry. Après Tilabéry, on va progressivement attaquer le centre de fond. Voilà est-ce que ça, peut suffire euh, pour, pour, euh, entamer on, tous on, on, a, on, on, a on, ça demande beaucoup de, diligence. pas ça, le hasard. Il faut bien étudier les fonds, trier ce qu'il y a à trier garder ce y a à garder. Parce ça avec, des gens qualifiés. Hein. Tout à fait, qualifiés, on est là. Sinon, on peut endommager les documents. Et puis faire disparaître des documents qui sont d'importance capitale. Hein. Alors, je donne la parole euh, à, notre troisième invité, Abdou Doubou. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, vous êtes, en tout cas, vous préparez une thèse peut-être qui est même, qui est même, en tout cas, très avancée en histoire et vous fréquentez régulièrement les archives nationales. En tant que lecteur, quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes souvent confronté aux archives nationales Bien, les, principales difficultés auxquelles euh, nous sommes confrontés, ou tout l'acteur, euh, ce sont ces mêmes difficultés qu'ils ont relevées. Hum. Euh, le mauvais état, en tout cas, des documents. le problème de conservation. Mais en plus de ce qu'ils ont dit, moi, ce qui me gêne souvent un peu, c'est qu'on peut vous servir un document aujourd'hui, un mois plus tard ou quelques jours plus tard, vous revenez demander le même document, on ne le retrouve pas. Hein. Donc ça veut dire qu'un document qui a été pris sur un rayon, lorsqu'il lorsqu'il est déplacé, on ne peut pas le retrouver. Vraiment, on constate de plus en plus ce problème-là. Hein. Ça dérange. Hein. Je suis en train d'exploiter un document, je le remets, pour pouvoir poursuivre parce que vous n'avez pas cette possibilité de l'amener avec vous. Tu le demandes quelques jours après, c'est difficile de le retrouver. Donc c'est vraiment un problème. Et à un certain, bon, maintenant, à euh, un certain moment également, c'est vrai, ça n'existe plus. Je ne sais pas si elle peut me permettre de le dire. Au moins de la euh, numérisation, puisque à un certain moment, il y a vraiment il y a les soucis vraiment de la conservation en eux, mm. ce qui a fait en sorte qu'à un certain moment, il y a eu un début de numérisation, numérisation de tous ces documents-là. Bon, ça, ça, a été suspendu, je pense bien. Ils sont là pour euh, dire un peu plus, je ne sais pas pourquoi. Mm. Mais Dieu merci, maintenant, vraiment, tout est OK, tout est bon. Tout document, en tout cas, qui peut être mis à la consommation ou à l'utilisation des, usagers, on le fait. Euh, peut-être je le comprends un peu, les documents qui ne sortent pas, ce sont des documents qui sont mis hors d'usage. Oui, justement, j'allais poser cette question lors de notre rencontre avec vous. Vous nous avez évoqué cet aspect que certains documents que vous, vous sollicitez, on vous dit que ces documents sont hors d'usage. Oui, il y a des documents qui sont mis hors d'usage. Pourquoi Parce que c'est lié à leur état. Hmm l'État est complètement dégradant ou bien qu'il s'est complètement euh, dégradé. Hmm. Donc on ne peut pas les donner à un utilisateur qui va davantage les endommager. Hmm. Donc sur leur rayon ou bien sur leur guide ou sur leur répertoire, le document existe, mais vous ne pouvez pas avoir accès à ce document, ah, la contenu de son état. Et je comprends ça un peu, puisque si on, met ça, on continue à mettre ça à la consommation du public, on risque de le perdre totalement. Donc, peut-être euh, c'est de nous patienter un peu, nous, utilisateurs, jusqu'à ce que ça soit numérisé. C'est pourquoi il euh, faut que vous accélérez un peu euh, le système de numérisation. Bien, euh, je reviens, à, je, leur pose la question. Vous avez euh, noté euh, une difficulté, cette difficulté selon laquelle vous, vous, consultez un document aujourd'hui, après demain ou une semaine après, vous redemandez ces documents, on, vous dit qu'il n'est plus. Qu'est-ce qui explique cela, M. Marafa Angachimoussa Lorsqu'on a vu des, nouveaux, des nouveaux pas, il y a des agents qui ne sont peut-être pas ils n'ont pas beaucoup appris la chose. Ils n'ont pas beaucoup appris, n'ont pas eu le temps d'apprendre les choses. Ce qui fait que quand on leur, demande, on leur donne, on leur dit de remettre, le document dans le magasin, il y a certains moments, ils, ne mettent pas ça, ils ne prennent pas le soin de mettre ça au, bon emplacement. On ne le suit pas dans le magasin. Donc, vraiment, ils le remettent là où le, le verre revient. Ce qui fait que dans le magasin, dès qu'on passe un document, il est perdu dans des milliers de documents, on le déplace, c'est fini, on ne peut pas le repérer encore, c'est difficile. Ce qui fait ça. Est-ce que vous travaillez pour, pour avoir. On est là-dessus, on est là-dessus. est là-dessus. Alors, euh, le processus de numérisation de ces archives, est-ce que ce processus a été entamé et vous êtes à quel niveau C'est en cours actuellement, on est là-dessus. Oh, on, a avancé, presque fini, presque, presque la finition. De toutes les archives nationales ou d'une partie de, La partie coloniale archives les archives coloniales, oui. C'est avancé vraiment. Hmm. les, bientôt, vont, remettre, soumettre leur, rapport. C'est vraiment avancé hmm. sur là Est-ce qu'il y a des difficultés autour de ce processus de numérisation je, pense pas, hmm, matériel euh, Non, non, matériel, il n'y a pas de problème matériel. Moi, Alors, nous entamons euh, la dernière partie de cette émission concernant les perspectives euh, voilà. Quelles sont, selon vous, les insuffisances qui méritent d'être corrigées Bref, vos attentes en tant qu'utilisateur de, ces, archives nationales Je pose la question à Abdou Doubou. Pour moi, pour améliorer en tout cas la qualité du service au niveau de, ce centre-là, hmm. le problème qu'ils ont soulevé, le problème de conservation, hmm. euh, de lumière, de climatisation, de, décotage, tous ces problèmes-là qu'ils ont, des formations d'ailleurs même des étudiants, vraiment il faut les solutionner. Si on apporte vraiment des solutions à cela, je pense bien qu'on peut euh, améliorer la qualité du service. Il faut aussi euh, accélérer le processus de euh, numérisation là. La numérisation a été entamée, ça fait plus de 4 ans, alors qu'au au moment où on l'entamait, c'était parti pour un an, un an et demi, au plus euh, deux ans. Mais aujourd'hui, on est peut-être dans la quatrième ou cinquième année de numérisation-là. Euh, et, alors que cela ne concerne qu'une partie des archives, euh, notamment la période coloniale. Donc, si on arrive vraiment hmm. à numériser toute cette documentation-là, ça facilite l'accès à nous autres. Hmm. Et, eux aussi, hmm. puisque tout est là sous la forme numérique que tu demandes vraiment, euh, je ne sais pas. En un clic, on retrouve le document, il sans, problème. Euh, sans problème. Donc, il faut que ça là, soit, fait. Mm. Et pourquoi d'ailleurs même ne pas mettre en ligne toute cette documentation numérisée mm comme c'est le cas au niveau de, de certains centres de documentation de la place. Par exemple, je parle du CCFN, de, la bibliothèque de l'IRCH, de la bibliothèque du CELTO, de la, des bibliothèques de l'université Abdou Moumouni, de Maradi, de Tawa, de Zander. Hmm. Il suffit de, cliquer, vous avez tous le rayon. Hmm. Donc, un utilisateur, sur son lit, peut identifier les documents qu'il a à consulter, il prend les références et dès qu'il se présente au niveau du service à accueil, remplit la fiche et puis tout, le monde, gagne en temps. Oui. Peut-être il faut vraiment un, peu envisager cela. et C'est possible. C'est possible. Il faut aller vers les partenaires, c'est bien possible. Hmm. Alors, euh, euh, Marafa Hangashi Moussa, hmm. euh, chef division technique aux Archives nationales, vous avez dit tout à l'heure que depuis un certain moment, les Archives nationales ne reçoivent plus des versements hmm. parce que le, magasin, est, saturé. Est-ce qu'il y a des débuts de solutions pour cet état de fait Et de quoi vous avez besoin Est-ce qu'il faut reconstruire le magasin ou bien il faut déménager Il faut si, si, si, si, si, si, possible, nous voulons déménager de l'endroit. Même l'emplacement là où on est, ce pas un endroit compte de la sécurité de la présidence, c'est pas un endroit propice vraiment pour. C'est vrai qu'il y a des soldats avec les armes c'est pas devant. Voilà. C'est pas prudent de, se hasarder là. Vraiment, C'est vrai que c'est là du ciel, beaucoup de lecteurs. Ça nous fera beaucoup plaisir. Beaucoup de lecteurs en tout cas sont du par cette. parce que la présence de ces là vraiment. Mm. Donc, si vraiment on peut avoir un autre local, un autre emplacement, ça nous fera beaucoup de bien est-ce que les problèmes qu'on a soulevés pour le cas des archives nationales ici au niveau central à Niamey, hmm. c'est les mêmes problèmes à l'intérieur du pays ou bien il y a d'autres difficultés différentes C'est presque le même problème. C'est presque le même problème. Le problème de conservation, entretenir ce microclimat au niveau du magasin, c'est vraiment presque le même problème hmm. que nous avons. Alors, c'est euh, Alors, euh, Monsieur euh, Oudou Hassan, Oudou Al Hassan, chef division scientifique de quoi les archives nationales ont besoin pour être bien conservées pendant longtemps encore Comme l'a dit euh, monsieur le Docteur, c'est seul donc, euh, vous revenez donc euh, au niveau du défi de, conservation. C'est mm-hmm. ce qu'on appelle le matériel de conservation. Mm-hmm. Ah, on a besoin donc du, matériel de conservation. C'est quoi le matériel de conservation dont vous faites allusion Bon, pour les matériels de, de conservation, donc, à ce qu'on appelle donc euh, les boîtes d'archives, mm. donc, euh, qui sont indispensables. Maintenant, les, pour les il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour les mm. Maintenant, le grand problème, c'est le problème d'extension. Est-ce que vous voyez Extension. Oui, effectivement. La, saturation là. Mm. Est-ce que vous voyez C'est le, le, gros, le gros problème que, que nous avons. Parce que si aujourd'hui on n'arrive pas à recevoir des versements, moi, je vois que vraiment, vraiment, pas, ce n'est pas gay. Et ça, ça fait depuis deux ans, trois ans que vous ne recevez pas de versement Quel deux ans Ça dépasse deux ans euh, Ça veut dire que toutes hum. les archives, toutes ces archives qui sont censées euh, être déposées au niveau des archives sont quelque part ailleurs, peut-être euh, ils ne sont pas... Au niveau des ministères, on a des directions de chercheurs qui, qui, les, qui Mais Malheureusement, là-bas, ils sont très mal conservés. Seuls nous, on vraiment là, parce que c'est des gens qui ne sont pas qualifiés à euh, le faire, qui le font dans ce mm. ministère-là. Mm. Donc, c'est normalement c'est à notre niveau qu'on devrait les, les, envoyer. Mm. Mais comme l'a dit mon collègue, le magasin est saturé, on ne peut pas, on ne reçoit plus maintenant du, du, fond, vraiment. Donc, la solution, c'est d'avoir un nouveau bâtiment pour un nouveau local euh, bah, est-ce qu'il y a, est-ce que vous, est-ce que vous, il vous arrive de, de, faire des projets euh, à soumettre aux partenaires pour des financement ou pas du tout on dans le, dans le cadre du, du, de la du, programme de la République, on a soumis un, projet de, la renaissance de, la cité de renaissance des nationale. nationales. construire un cité de renaissance des nationale. nationales. Donc, vous avez proposé la création d'une cité exclusivement des archives. Vous l'avez proposé au gouvernement, c'est ça En tout cas, nous, on l'a proposé à ce qui de droit. C'est où C'est dans le circuit. C'est dans le Oui. Monsieur Abdoudoubou, mm. si vous avez un dernier mot par rapport aux perspectives pour, pour les archives nationales. En tout cas, euh, comme nous l'avons dit, les archives, c'est vraiment la mémoire d'un pays. Il faut qu'on songe vraiment à les conserver comme ça se doit. Puisque tous les actes administratifs, même il a parlé de la bibliothèque contemporaine ou bien de la documentation euh, contemporaine, tout acte administratif qui est pris dans tous les ministères, dans toute l'administration, doit avoir un exemplaire. Mm. Donc s'il y a des problèmes de locaux, c'est un problème. Sincèrement, c'est un problème sérieux. Mm. Donc il faut vraiment solutionner toutes euh, ces difficultés-là qui ont été euh, relevées. Et j'appelle également à notre conscience, nous, utilisateurs, puisque vous pouvez euh, utiliser un document qui a été déchiré, déchiré par les utilisateurs. Hmm. Donc vraiment, il faut qu'on soit euh, en tout cas conscient de cette importance euh, de cette documentation-là. Hmm. Merci à vous et c'est ici que prend fin le forum d'aujourd'hui sur les archives nationales du Niger, conditions de conservation et d'utilisation. Nous avons vu ensemble que les archives nationales, en tout cas, oh, sont d'une importance capitale. C'est la mémoire de l'État, les archives nationales. Ces archives nationales sont confrontées aujourd'hui à d'énormes difficultés, notamment euh, euh, des difficultés en termes de locaux qui sont exigus, euh, des difficultés en termes de capacité d'accueil euh, et de, réception de documents, absence de lumière suffisante, euh, de climatisation euh, et aussi des capacités en termes de ressources humaines pouvant traiter euh, qualitativement les documents. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous étions en compagnie de Marafa Angashi Moussa, chef division technique euh, au niveau des archives nationales, et Oudou Alassane, chef division scientifique également aux archives, et Abdou Doubou, doctorat en histoire, euh, utilisateur régulier des archives nationales. Et à la présentation, Alassane Kouzi Mahmadou, le volet technique est assuré par Issa Lawali. Bonsoir.